yes bambaji ari be caɗele ɗe kaale laamu ɗum nana ɗum he noppi mu'en mami haala mami kaasa huladu tampi huladu no nangirani welanani kam mami haala mami kaasa huladu tampi huladu no nangirani welanani kam mami haala mami kasa huladu tampi goɗɗo naako Thank you.

voilà donc euh, Abdoulaye Diamanka nous gën comme ci tur Bamba ji yooyu yaay njiitu euh, kuréel gi MDS un mouvement pour la défense de la société donc le euh, mouvement bi ngeen avez ko c'est mu première activité bu mag bi ngeen di def commune bu la colonne voilà donc est-ce que d'abord vous nga ñëwaat ci lan mooy solo su maanaam importance su activité bi ngeen di mouvement bi MDS mouvement de défense pour la société mouvement bi mu ngi pour. protéger li nga xamante ne askanu population bi euh, mooy li nga xamante ne mooy njëriñu mouvement bi mais tey euh, bi nga xamante ne fan yi passé damaa ñëwoon fii fekkee maanaam fois des jeunes bi dafa tilim ay am ñax yi nga xamante ne nettoyé ñu ko li nga xamante ne am nañu ay responsable ñu fi tegoon te defuñu liggéey bu war ma ne pourquoi pas le mouvement en tant que c'est défence pour pourquoi pas le mouvement pour ñu ñëw fii ñu liggéey maanaam ñu def fii set setaal ñu nettoyer fii nii parce que fii maanaam état moo ko construire bul xool affaire de kii maire la maanaam bokkuma ci mi nga xamante ne mu ngi fii pour askan bi ñun zone yi ñun ndaw yi ñoom ñoo ko war a régler parce que monsieur le maire def na lu muy def boo xoolee liggéey bu mu def maanaam ak clôture bi ñun ñoo léegi suñu liggéey moo des loolu moo tax tey ñu ñëw ñu bëgg ñu ñëw ci monsieur le maire ñu waxtaan ak moom pour ñu mun a ñëw nettoyer fii nii parce que euh, ci mouvement bi ñu gën a bari ci secteur Faraba la ñu nekk actuellement loolu moo tax ñu ñëw ci monsieur le maire ñu ñaan ko appui pour moyen de déplacement parce que mouvement bi amul bi nga xamante ne au fond bi nga xamante ne mun nañu déplacer monsieur le maire accepté après mu jàppale ñu ci li nga xamante mooy transport ak nga xamante mooy ci ci repas wi mm-hmm. maanaam loolu ci sen en mesure lépp lu ñuy def monsieur le maire jël ci en charge mu ne dinaa leen ci appuyer mm-hmm. parce que li nga tamanté li ngeen di jog manam ci wàllum société bi mm-hmm. man tamit dina ci japp sama téeméeri loxo ginaaw ginnaaw sesatal bi ngeen def xam nañu aussi war ngeen def manam lu ñu tuddee sensibilisation manam ngir xamal nit ñi parce que élection yi wara a euh, campagne bi légui mu tambalé le 8 lay tambalé élection yi le 23 janvier lay doon te ci wàllu violence nga xamante ne gis nañu ko ci euh, avant élection yi yéen tamit ngeen bëgg ci def euh, maanaam dugal ci seen loxo ngir ñu mën a xeex loolu tey euh, ban message ngeen di joxe en tant que jeune. waaw en tant que zone tey maanaam sensibilisation bi dañuy wax ni élection dañu fokk ñun ñoo bokku ndey ak baay muy parti au pouvoir muy opposition tey élection bu tax ñun ñu xew fi walla ñu gaañante suñu biir maanaam rak ak mag ñu ñëpp ñoo bokk ndey ak baay maanaam mais lii bu jàllee li nga xamante ne ku fi yàlla teg moom moo fi war a toog loolu waruñu ci boole dañu war a jàpp ni élection la maanaam ci ñu woo surtout si autorité yi nga xamante ne ñoom ñooy euh, leader yi maanaam ñu bàyyi ci seen jeunesse bi maanaam ñu encouragé leen maanaam dem di saaga kele walla di wax kii lu ñaaw loolu lépp jaru ko parce que nit ñun lan lañu ut mouvement bi mooy ki nga xamante ne dafa am expérience ci wàllum politique ma lan la ñu xaar ci yow maanaam nga ñëw wane sa plan maanaam man bu ma nekkee fii président man bu ma nekkee fii monsieur le maire lii laa war a def lii mooy sama plan lii laa war liggéey ñu xam ne ah diw carrément bu nekkee fii rek lii la ñu lii la ñu xaar ci moom mais yow boo nekkee fii yaa ngi politique di saaga di saaga kii deful lii deful lii te yow waxoo ñu bi la nga war a def kam moo lay voter loolu moo tax ñu ñëw ci sensibilisation yi pour nit yi ñu wax ñu ñoom lu ñuy indi loolu motax mhm. ñu sensibiliser li dina jeex mhm. ñu nekkat fi encore wa après sensibilisation dina am concert euh, donc xamna ñu ay artistes ngène voilà donc euh, pour concert bu neex loolu voilà dina yomb trop ñom mais est-ce que mën nañu xam euh, yan tamit yeneen artistes yu mag ngène bëgg invité vraiment pour concert bobu waaw manam fini concert bi bobu bu jeexee mhm. dañuy def concert pour plein air ñu ne payante amul manam pour bëgg population bi yeb bëgg ci ñu xamantene tay ni amul fay c'est grâce à monsieur le maire euh, def na ci appui parce que du question moom mooy nekk fii maire bi lolou motax tax koy wax parce que dafa jëf nga xamante def bu war parce que nit bu defee tamit dara il faut nga wax ko même bu nekkee ben opposition mo ñu appuyé woon tey monsieur le maire lu ñu appuyé dañu koy def manam tay amul mouvement bi dafa bari ay artistes té artistes yépp lañu wo fi woo comme ku nekk ni Double System ñom MC Imam King S e, ak euh, waaw gars yi dañu roi Mike di DJ très bien ñoom ñëpp ñu ngi fii tey nii ñoom King MC Talibe am nañu war a jóge Kolda ñu ñëw fii ak yeneen euh, secteur Kamako ci commune Dioula Kolom bi ñoom ñëpp tey mm-hmm. ñu ngi leen xaar fii ci jula kolon yi nga xamantene ci buntu monsieur le maire te lañu ko wara def ok eh, abdoulaye diamanka ɓura andirede bamba ji ko an woni do ni uh, fedde rende mds mouvement pour la défense de la société donc uh, mouvement o nak e hewi artiste yi e hewi kala yimɓe ɓe gandanta peut être ko ben tawa e calɗi goddi e der commune mo jula kolon hande nak uh, don activité moɗon giɗiɗo uh, manam ɗum woni laɓɓinde uh, foyer des jeunes uh, mo jula kolon est ce qu'an an artande uh, nafaka on don activité oui mino wawi hen uh, artude manam ko woni hen uh, nafaka hande mouvement uh, mds mouvement de défense pour la société manam hande men daari ɗeya balɗe ɓaawo men garno ɗo men jotti e foyer des zones he min tawi ɗo fof ɗi ñaɓɓi ala ko lawlina manam si a laari han e pour e état he mi wawide état o e liggo mais pourquoi pas zones o liggo pour toppiro foyer o no fori toppire par ce que a laari he piw ko ñaɓɓuno donc an a yahi ha ɓawo to a waɗi visité donc a wi'at tan wona ɗo fuway a wi'a wona kaale waɗa hen dépensé minen min mbio pourquoi pas min gimmoɗo min gara ɗo juula colon par ce que si wi'ama ko fuwaye zone juula colon ha ko commune o pi woodi donc si min gari min mbaɗi netoway a holliri minen alaɓe min gonani ɗo ko commune o min gonani ɗo ko société o min gonani ɗo ɓay ko wadde défendre société min gala ɗi moyen ji ɓurɓe hewde ɓe actuellement e nder mouvement e ko secteur faravaɓe basi min gari min jiide monsieur maire min mbimo min ngala transport min minen jogui idée lawlinde e, sukaɓe ɓe manam to pori fijero pori wadde affaire aji mumen monsieur maire wimin ala probléme to senggo auto sonorisation ha e bottari e hirande moɗon vraiment mi waɗat ɗum res mi lamdaki on hay buɗɗiɗi mhm. donc ɗum woni min weltanade monsieur le maire mhm. euh, min mbaɗi affaire o hande nettoyé ko mhm. joni caggal laɓɓinde oɗo fayide jeune kala onon poti wadde ko tubako wiyata sensibilisation manam pour haccinde yimɓe ɓe pour enen jiya tan ɗiɗo violence ji manam euh, ɗiɗo firinaji jiyeren ɗi e élection ji ɗe ɓatti ɓoyata waɗan nin donc onon ko hoɗum message moɗon en tant que sukaɓe ha yimɓe jiya élection e jaam élection ji ɗi kuɓ e jaam poɗɗo lamade o kala laamo e jaam eyyi ko noon par ce que ko addi ha men mbiyo pour min darano par ce que ko société o min darantoni manam population o hande yimɓe wonɓe ɗoɓe donc si ko woni he élection local ɗum tawno en musidi en goni hunde wotede nene goto baba goto han a yi a bokkuɗo yimɓe bokka nene e baba taa ɓe gondani parti walla neɗɗo e ɓiɗɗo bamuɗum taa gondani parti goto yoto welana to yahata e donc ɗum jarani haare goto oto faalato nangga toon ha tiiɗa mais hoko woni probléme o surtout leader ji ɗi no ɓe nangu yimɓe maɓɓe ɓe jarani ƴattagol oya par ce que si a ƴattima goɗɗo tan on yettima waran ko violence si en gañidiri an ko enen tan ni famille goto o joɗoto hôpital ɗum ɗa ga yawroya après mo gañnoɗa han heddo ko hersa wonoyta donc si a laari han ɗum piw leader ji ɗi hoko men ñaagiɓe manam garowo han no haal hoko addata manam min simi heeɓi commune o han ko ɗum bammi ko ɗum mbaɗan minin ko ɗum woni bilan am o ko ɗum ɓori jeri ƴattagol josi a wonani to ƴattagol demba e samba an hay goto anda a laamima hoko battani hombo wawtama wotan donc minen ko ɗummen mbi ala ƴattagol paari walla samba goto no haal bilan mbo foti wadde o donc yimɓeɓe e jogui hakkillaji i e gandi o ari haalnimen o bilan laamiman ko o watta oɗo ko o oɗo ko o minen min joɗima min calcula min ganda heɗɗi pinon bilan ji hombo min woni suwa amen donc ko e par rapport e idée ji maɗi e haalaji maɗi yimɓeɓe wattama choisir wona e cas violence hay neɗɗo holinoma si yi'ima an toujours ko probléme a ɗi wawima dettorde saabu ɗum donc e konɗi yimɓe he ko hen ɓe koltoma ɓe ɓaga ɓe tira ko kalɗa ko ɓe wiya ko o foti nangande par ce que ko o men jii poɗɗo wallude o quoi mm. joni onon paala homirde activité mawɗo ɗon e concert mawɗo ɗon ɗo bayal eh, damal galle monsieur le maire donc hono concert o yarane a concert o mom hande mi wawa wiide yo piw i nodda par ce que concert o hande yo mbatani o kumbanni parce que hande piwi weltanama min andi do no yimbe am ɓe ni mbaloɓe ɓe comme mc imam en monsieur le maire be boisson ha ɓen tour o donc hande artiste di ɗi fof ɗi parce que mouvement au déjà heewi artiste mc talib en mc imam en dj très bien en double system king es roi mike en donc piu din he la eh, galchen crew en e woɓɓe he woɓɓe gandiran ta ɓen poti iwde kolda ɓe gara woɓɓe e poti immode ɗeɗa secteur ji nder ko e, julakol on min mm-hmm. kawra ɗo ɗo damal galle museelo maire ɗo min mbaɗa ɗon hiiro ala yobde pour weltinde population o piw wona mm-hmm. hunde woorere élection ji ɗi jaha e jaam mm-hmm. ɗi gasa e jaam e allah walla en ɗi jawta e jaam ta hay caɗele keɓaki hen voilà donc nous sommes euh, avec monsieur alfouseni balde maire de la commune de Djoulakolon. Voilà, monsieur le maire, vous êtes en quelque sorte le parrain de cette jeunesse, ce mouvement euh, de la défense de la société euh, de de Djoulakolon qui a euh, tenu une activité citoyenne. Voilà, d'abord, quelle analyse faites-vous par rapport à cet acte citoyen Merci beaucoup. D'abord, je remercie le MDS qui n'a ménagé aucun effort pour venir vraiment sensibiliser et accompagner la commune dans le cadre des activités. Parce que l'action qui a été faite ce matin par le MDS, c'est-à-dire l'assainissement, le nettoiement, l'entretien, encore quoi du foyer des jeunes, c'est un acte noble. Ça, en quoi ça me va droit au cœur. Ils ont montré en quoi le but de leur mouvement, c'est comme ils l'ont dit dans le, dans le livret, mouvement pour, la, pour le développement de, la société. Donc ça fait partie des actions de, développement. Donc euh, le, le mouvement, en tant que tel, qui est logé dans la commune de Guyla-Colomb. Parce que, comme il l'a dit, hein, la majeure partie des artistes qui sont autour de ce mouvement euh, sont du secteur de Faraba. Le secteur de Faraba fait partie de la commune de Guyla-Colomb. Donc, moi, je ne cesserai en tout cas de tendre la main à ces jeunes qui sont engagés en tout cas à appuyer et à aider la jeunesse de la commune de Guyla-Colomb. Et moi, en tant que personne de la commune, je suis là pour, en tout cas, tout le monde. Je suis pour la communauté. Donc tous ceux qui viennent de la communauté, je suis partant. Et je suis prêt aussi à aider la communauté à réaliser des choses extraordinaires pour qu'on puisse développer ensemble, en tout cas, la commune de Voilà, monsieur le maire, au-delà de la communauté, d'abord, euh, qu'est-ce que la municipalité compte faire Parce qu'on sait que nous sommes à l'orée euh, d'élection Voilà, donc, euh, si une fois réélu, quelques Alves compte faire pour appuyer donc, cette jeunesse et surtout sur le plan culturel Bon, vous savez, d'ailleurs, comme vous l'avez dit, hein, ça, vient en mangeant. Euh, dans le cadre de la jeunesse, depuis que je suis là, j'ai réalisé des choses pour la jeunesse. D'abord, euh, le foyer qui est là, qui est présent, j'ai équipé le foyer, j'ai clôturé et j'ai acheté un matériel. Euh, aussi, je suis en train, j'ai financé une salle polyvalente qui va vraiment, en tout cas, aider les jeunes à s'expérimenter ou bien à, à, au niveau du foyer. Et j'ai aussi mis en place, dans cette chaque année, je mets une subvention de 2 millions à la jeunesse de la commune de Djulakona, chaque année. Et je mets aussi 1 million de francs CFA pour la culture au niveau de la commune de Djulakona. Toutes ces, sous ces deux rubriques, il y a des périodes de commission qui sont là, qui les gèrent. Je ne sais pas si les jeunes, en tout cas, ressentent en tout cas cet appui ou pas, mais en tout cas, moi, chaque année, je fais ces je, je, dépense de l'argent pour la jeunesse. Ensuite, j'ai aménagé un terrain municipal de la commune de Djulakona qui est là, à droite, qui est clôturé, aménagé. Les gens ont commencé même à, faire le football là-bas. Mhm. D'ailleurs, les phares ornementales, les de 2017, 2018 étaient, produits au niveau du terrain municipal de la mhm. Ensuite, dans le cadre de la jeunesse, mhm. euh, il y a des jeunes qui sont étudiants, qui sont à l'Université de Dakar. Chaque année, je les appuie, je les subventionne à autour de 2 millions. C'est pour venir vraiment euh, aux, besoins des étudiants qui sont là-bas, parce que ce sont des jeunes, qui ont des difficultés parfois de logement ou de déplacement la commune appuie pris étudiants à hauteur de 2 millions. Ensuite, j'ai octroyé 4 hectares, 4 hectares à, la, à la zone de Faraba. C'est toujours dans le cadre de la jeunesse. Ces 4 hectares, sont, euh, la délibération a été déjà faite, ça est entre les mains du président Patrice Sabali, qui est le président du conseil communal de la jeunesse, et c'est lui qui gère le foyer qui est ici présent. Depuis la, la fin de 2015, ce foyer existe mais jusqu'à équipé, mais jusqu'à présent, on ne voit aucune retombée au niveau en du Vraiment, c'est regrettable. Mhm. Donc, euh, je demande euh, au mouvement de s'approcher vraiment de la commune pour qu'on puisse ensemble gérer cet outil qui est un joyeux qui doit venir en tout cas à bout des, des, des besoins de population de la jeunesse. Ensuite, au niveau euh, de la jeunesse, j'aspire, j'aspire en tout cas à aménager le terrain de football de la zone de Faraba le, le, train de football de la zone de Bantankunté qui sont prévus d'ailleurs dans le budget qui a été voté le 30 décembre 2022, 2021. On a déjà voté pour l'aménagement de deux terrains de football. Un terrain au niveau de la zone de Parba, un terrain au niveau de la zone de pour qu'au moins les, jeunes puissent vraiment euh, s'approprier de l'outil. Ça, appartient à la jeunesse. Donc il faut que les jeunes se sentent à l'intérieur de l'exécution de l'exécutif en cas de la commune de la colonne. Parce que pour qu'ils se voient à l'intérieur, il faut qu'on les, qu'on outille. Comment les outiller C'est essayer de les trouver des, mécanismes pour qu'ils puissent aspirer ensemble. aussi, dans le cadre de, l'emploi des jeunes, j'ai créé la zone au niveau de la commune de la colonne. J'ai créé aussi deux usines d'unités de transformation dans le cadre la, la première usine d'ailleurs, en venant, vous constatez à droite, il y a déjà un, un, un, qui est là-bas. C'est la première usine d'Anakat qui, qui va être là-bas. En, face, il y a aussi une deuxième usine de l'Anakat qui va être euh, aussi aménagée au niveau de la commune. Pour tout ça, c'est pour apporter encore de l'emploi pour les jeunes. Et aussi en face de l'université, en partant à Belangara, en face de l'université, il y a une usine d'eau qui va être mise en place peut-être dans trois mois parce que la SDR e était là déjà, on a finalisé, on a signé le protocole, et là aussi on a un droit important au niveau de, de cette usine d'eau, qui va d'ailleurs non seulement il y aura des temporaires, mais il y a aussi des, permanents qui, qui font la barricade. Donc tout ça, c'est pour apporter encore un emploi aux jeunes. Encore, j'aspire en tout cas à aider la jeune et à les accompagner. Voilà, monsieur le maire, nous sommes à l'orée des locales de janvier 2022 et déjà, on n'en est même pas aux élections, la violence commence à s'inviter un peu partout. Donc euh, vous, euh, quel message donnez-vous pour que nous allions dans des élections apaisées En tout cas, au niveau de la coalition Bernard Bokayakar, que je dirige, j'ai exhorté à mes militants et à mes responsables d'être patient et d'être tolérant. Qu'ils ne répondent pas, en tout cas, aux provocations. Parce que là, c'est la même famille. Que ça soit le Benoît, que ça soit les autres parties de l'opposition, nous sommes la même famille, nous sommes des frères, des sœurs, des oncles, des neveux, des papas et des mamans. Donc, nous sommes ensemble. Une seule journée ne doit pas vraiment gâter les relations parentales ou bien les relations de, cordialité qui existent entre les personnes. Donc, encore, moi, je demande à ce que tout un chacun puis d'abord, si les, par exemple les opposants, ils n'ont qu'à présenter leur programme.